suka ce daga yau daga mata yau ba sa son faransa ba su son mai son farans faransa ta kai ta ba mu kasanmu a yi bincike liƙewar kominak da aka yi a yi audit na liƙenta sommes là c'est la population d'Arlit qui est sortie pour soutenir l'action du CNSP donc on fustige le comportement de la France les voleurs vous qu'ils soient maudits le de leur marche, une déclaration a été rendue publique. Population d'Arlit, à travers la synergie des organisations de la société civile, réunie ce dimanche 6 août 2023 en d'examiner la situation sociopolitique suite aux récents événements intervenus dans notre pays, fait la déclaration suivante la population d'Arlit, tout en marquant son attachement au principe de la démocratie et de l'état de droit, soutient le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, suite au renversement du régime de la 7e République. cette décision est motivée par la détérioration depuis quelques années du climat sociopolitique caractérisé par la corruption sur toutes ses formes, le détournement des deniers publics, l'impunité, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion sécuritaire, mais aussi par le pillage de nos ressources minières, la pollution de notre environnement, le délestage d'eau et d'électricité et la fermeture de la compagnie minière d'Akuta Kominak par Orano intervenir sans respect des normes environnementales. À cette situation, la population d'Arlit demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, de prendre toutes les mesures tendant à ramener la quiétude et l'ordre constitutionnel normal dans un délai raisonnable. Sécuriser les populations et leurs biens pour une vie paisible. Assurer l'intégrité de notre territoire, sa souveraineté, sa défense, contre tout agresseur interne ou externe. Restaurer l'État dans ses droits en mettant en œuvre une justice juste et équitable et impartiale pour tous. La population d'Arlit dénonce les conditions de fermeture de la, de la société Cominac et demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP d'ouvrir un audit de fermeture de cette compagnie minière condamne avec fermeté les menaces et décisions injustes et cruelles de la CDAO, de l'IMOA, de l'UA, de l'UE et de la France vis-à-vis de notre pays, le Niger. de la situation qui prévaut, la population d'Arlit appelle tous les Nigériens à rester debout comme un seul homme derrière le CNSP, pour renforcer l'unité nationale et défendre notre patrie par tous les moyens. Tant de l'esclavage, de la colonisation et de l'indigénat est révolu. Puis 63 ans d'indépendance jalonnée de pauvreté, le Niger reste dernier ou avant-dernier de la planète sur le plan de l'indice de développement humain. Alors trop c'est trop les gars. c'est trop, trop. c'est trop. c'est trop. Le Niger en a assez. La population d'Arlit en a marre. La population d'Arlit en est révoltée et prête à faire mouvement sur Niamey pour un sitting patriotique jusqu'à la fin de la guerre contre le peuple Niger. La population d'Arlit remercie et félicite les pays amis du Niger, notamment le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie et l'Algérie pour leur esprit de solidarité et leur soutien vis-à-vis de notre pays. vive la patrie, tous unis, tous unis. Vive l'armée, vive l'armée vive l'armée nigérienne, la France, la France, la France, la France. À travers sa sortie, la population de la cité minière a appelé la junte militaire à nationaliser toutes les compagnies minières basées à Arlit. Très forte effervescence dans le rues d'Arlit à l'occasion des marches initiées par la population de la commune urbaine d'Arlit organisées de ce qu'ils ont appelé synergie des organisations comprenant des associations des femmes, associations des jeunes, organisations socio-professionnelles, cela pour apporter leur soutien aux autorités militaires du CNSP suka ce daga yau daga mata yau ba sa son faransa ba su son mai son faransa faransa ta kai ta ba mu kasanmu a yi bincike liƙewar kominak da aka yi a yi audit na liƙenta Nous sommes là, c'est la population d'Arlit qui est sortie pour soutenir l'action du CNSP. Donc on fustige le comportement de la France. Oui. Les voleurs Tinubu, qu'ils soient maudits. Le bébé de Macron, que Leur marche, une déclaration a été rendue publique. Population d'Arlit, à travers la synergie des organisations de la société civile, réunie ce dimanche 6 août 2023 en vue d'examiner la situation sociopolitique suite aux récents événements intervenus dans notre pays, fait la déclaration suivante la population d'Arlit, tout en marquant son attachement au principe de la démocratie et de l'état de droit, soutient le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, suite au renversement du régime de la 7e République. cette décision est motivée par la détérioration depuis quelques années du climat sociopolitique caractérisé par la corruption sur toutes ses formes, le détournement des deniers publics, l'impunité, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion sécuritaire, mais aussi par le pillage de nos ressources minières, la pollution de notre environnement, le délestage d'eau et d'électricité et la fermeture de la compagnie minière d'Akuta Kominak par Orano intervenir sans respect des normes environnementales. À cette situation, la population d'Arlit demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, de prendre toutes les mesures tendant à ramener la quiétude et l'ordre constitutionnel normal dans un délai raisonnable. Sécuriser les populations et leurs biens pour une vie paisible. Assurer l'intégrité de notre territoire, sa souveraineté, sa défense, contre tout agresseur interne ou externe. Restaurer l'État dans ses droits en mettant en œuvre une justice juste et équitable et impartiale pour tous. La population d'Arlit dénonce les conditions de fermeture de la, de la société Cominac et demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP d'ouvrir un audit de fermeture de cette compagnie minière condamne avec fermeté les menaces et décisions injustes et cruelles de la CDAO, de l'IMOA, de l'UA, de l'UE et de la France vis-à-vis de notre pays, le Niger. C'est de la situation qui prévaut. La population d'Arlit appelle tous les Nigériens à rester debout comme un seul homme derrière le CNSP pour renforcer l'unité nationale et défendre notre patrie par tous les moyens. Tant de l'esclavage de la colonisation et de l'indigénat est révolue. Puis 63 ans d'indépendance jalonnée de pauvreté, le Niger reste dernier ou avant-dernier de la planète sur le plan de l'indice de développement humain. Alors trop c'est trop les gars. trop c'est trop. Trop, c'est trop. Le Niger en a assez. La population d'Arlit en a marre. La population d'Arlit en est révoltée et prête à faire mouvement sur Niamey pour un sitting patriotique jusqu'à la fin de la guerre contre le peuple Niger. La population d'Arlit remercie et félicite les pays amis du Niger, notamment le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie et l'Algérie pour leur esprit de solidarité et leur soutien vis-à-vis de notre pays. Vive la patrie, tous unis, tous Vive l'armée Vive l'armée nigérienne Vive l'armée nigérienne La France La France La France La France À travers sa sortie, la population de la cité minière a appelé la junte militaire à nationaliser toutes les compagnies minières basées à Arlita.